La population mondiale vient de dépasser les 7 milliards en 2015 et selon les spécialistes, elle sera de 8 milliards et demi en 2030. Cette croissance rapide a comme corollaire l'utilisation de plus d'espace pour loger tout ce monde, ainsi que l'extension des terres de culture pour nourrir une population qui ne cesse d'augmenter. C'est ce qui explique cette extraordinaire ruée vers les terres africaines, réputées encore vierges. Le Sénégal ne fait pas exception à la règle. En plus des visées manifestées par les investisseurs étrangers, il y a d'abord le phénomène d'agrandissement de nos villes, alimenté par des promoteurs immobiliers nationaux et de redoutables spéculateurs fonciers. Ensuite, les opportunités qu'offre l'agrobusiness poussent beaucoup de personnes nanties à chercher des exploitations agricoles dans le monde rural. Dans ce contexte, il est à redouter la naissance de conflits qui peuvent perturber le climat social. Aussi, les populations rurales, très vulnérables du fait de leur pauvreté, risquent fort de perdre leur terre, leur unique richesse. Ici, c'est la, euh, propriété de l'imam Momodou Sis de Kordaba. Il a demandé à ses enfants de s'investir et de pérenniser la chose. De ne pas vendre. Il faut continuer cette entreprise. Et ça, c'est un exemple la première campagne qu'il a faite ici, il a fait une récolte de 4 millions en arachide. En ce moment, la parcelle, l'hectare, ici, n'avait pas une valeur de 500 000 francs. Nous avons fait des dimanche, nous avons Dakar, nous avons fait des toiles, nous avons fait des toiles. Nous avons fait des toiles, nous avons fait des toiles, nous avons fait des toiles, au-delà des terres de culture, les gens s'avancent maintenant vers les zones de pâturage. Il y a également des conflits qui sont nés euh, dans le cadre effectif de la gestion des terres, parce que dans ce cadre-là, euh, nous avons vu que des familles qui commencent à éclater, les frères qui ne s'entendent plus, mais également, nous avons assisté à ce que les, jeunes sont en train de quitter également. Ils s'en vont à Dakar et ailleurs pour chercher ou, par exemple, euh, travailler. Donc, c'est un problème de terre qui se pose. Et en dehors de ça, également, nous avons constaté maintenant euh, d'autres agressions, Cela dit, d'autres maintenant nationaux ou même euh, des étrangers qui veulent absolument venir dans la zone s'implanter pour travailler. il faudrait absolument accompagner les familles à faire la déclaration et à avoir effectivement c'est leur, qui d'affectation. On affecte directement la terre à la famille. Pour arriver à régler ces problèmes et sécuriser la terre des familles, il y a lieu à ce que, par exemple, les autorités écoutent clairement, viennent demander, consulter les familles, consulter les populations locales, voir en réalité, dans cette gestion traditionnelle, qu'est-ce qui est vraiment positif, qu'est-ce qui, qui peut améliorer la situation et tenir compte de ça. Aujourd'hui, on va vers une réforme, mais souvent, on parle de propriété, on parle d'individualisation des titres. Or, on sait que euh, la question foncière, elle est gérée de façon coutumière, même si les droits coutumiers ont été supprimés en 1964 avec la loi sur le domaine national. La question aujourd'hui, c'est dans quelle mesure on peut gérer d'abord des espaces partagés, comment faire aussi pour que, euh, par exemple, euh, les populations qui gèrent ensemble des terres depuis des générations puissent trouver le cadre juridique qui leur permettra de gérer de façon apaisée et euh, qu'il y ait par exemple une reconnaissance juridique euh, de, ces, euh, de, cette gestion commune. Je pense que ça, c'est un élément important en termes de tissement collectif qui va effectivement influencer ou en tout cas améliorer la procédure de réforme foncière pour intégrer ces dimensions qui sont des enjeux extrêmement importants pour le Sénégal et pour la sous-région. La sécurisation foncière en milieu rural tourne essentiellement autour de la sécurisation des exploitations familiales, base de l'agriculture sénégalaise. Bien qu'étant la structure sociale autour de laquelle s'organise l'activité agricole en milieu rural, la famille est exclue des modes d'accès à la terre, fixés par les lois et règlements en vigueur. Plusieurs expériences de titrement collectif sont en train d'être menées dans certaines localités du pays. Il s'agit de trouver des pirouettes juridiques pour sécuriser les terres appartenant à la famille. C'est le cas à Kermoussa, où, avec l'appui de l'ONG Endapronat, l'association Wobin, en collaboration avec la commune, a voulu innover. Il s'agit de délibérer au nom d'une personne qui représente l'ensemble de la famille concernée. La personne choisie signe une déclaration d'honneur. La commune de Kermoussa, puis sa parce qu'elle euh, est, très proche de, Dakar. Et vu l'urbanisation progressive, on est, on est confronté à un, réel problème de foncier. Ensuite, il y a l'arrivée de l'aéroport, les industries qui s'installent aussi tout autour de nous. Donc le tissu foncier se diminue. On a conventionné des documents, c'est-à-dire des déclarations de partant du même village, parce que ce sont comme des terres euh, des villages, nous, nous voulons savoir que cette terre appartient à Massambo ou à Mademba, mais, que ça vient du village. Donc c'est pourquoi on lui donne des, des, déclarations de l'honneur signées par le chef de la ville, deux témoins du village, comme ça, plus le plan et les de la, cadence de l'individu, comme ça on l'introduit. La commission dominante se déplace sur place pour vérifier réellement l'existence de, ces, de ces parcelles, et après on met un rapport, on vient présenter au conseil, et automatiquement on délibère sur ça. On a déjà fait une délibération actuellement, actuellement on a une délégation qui est en essence, Ça, il est parti à la sous-préfecture pour le contrôle de légalité. Il faut dire que le rôle du sous-préfet est très important dans la mesure où nous, nous sommes chargés du contrôle de la légalité. Nous prenons un acte d'approbation. Parce que les gens confondent, l'approbation n'est pas une statue. il y a un acte qui doit approuver. On doit prendre un arrêté pour dire que sont approuvées telle et telle et telle délibération qu'on cite de manière limitative et La tenue de, de, terre, traditionnellement, était faite de manière euh, collégiale collégiale. Aujourd'hui, avec l'urbanisation et tout, les choses sont en train de changer et le sens de la propriété aussi, les populations commencent à se l'approprier. Ma propriété. Les gens doivent être sensibilisés les communautés pour que les gens demandent des attributions individuelles parce que euh, la gestion collégiale là peut être liée de contentieux au moment des successions. Dans le département de 57 familles pilotes ont intégré le projet de sécurisation foncière de l'association JIGJAM, réalisé avec l'appui technique et financier de la FONX. La solution collective est préférée à la solution individuelle du fait du caractère exigu de l'assiette foncière. La survie de la famille et de ses membres semble dépendre du maintien du patrimoine commun, raison pour laquelle il faut éviter coûte que coûte son émiettement. On a un champ collectif pour toute la famille. Et dans le concept aussi, il y a quatre ménages dans le concept de la famille. Et chaque famille aussi a des surfaces cultivables, sa propre surface. Mais on a un champ collectif pour toute la famille. La terre est insuffisante ici dans la zone. Donc, donc chaque famille dispose au moins 3 à 4 hectares. Donc ça, ça ne suffit pas pour la famille. Et nous, en tant qu'association, on, a euh, le constat. Donc, euh, il y a quelques familles qui ont des problématiques pour diviser la terre. Et ensuite, la, la division-là, vraiment, ça n'arrange pas la famille. Parce que chacun ne pourra pas cultiver un hectare à deux hectares. Et donc cela engendre ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. En matière de sécurité foncière, deux catégories d'acteurs sont particulièrement défavorisées, les femmes et les éleveurs. Yacine Diouf de Rekodef exige une réparation de l'injustice qui frappe les femmes qui n'arrivent pas à accéder aux bonnes terres. Parfois même, c'est encore plus dramatique car elles n'arrivent pas à se loger en cas de divorce ou de décès de leur conjoint. Chez nous ici, il y a une femme qui avait son mari qui était décédé. Elle avait ses enfants dans la maison. Mais les frères de son mari lui a interdit les terres. Elle avait de tout petits enfants. Elle était obligée de parcourir par là. Et même elle était partie en justice pour avoir euh, là où cultiver pour nourrir sa petite famille. Il y a beaucoup d'histoires comme ça qui s'élèvent qui ici dans, le, dans la communauté au détriment des femmes, surtout avec l'accaparement des terres. Même pendant l'hivernage, quand, on va au champ, on dit que là, là où, plus, là où la, terre est plus faible, c'est là où on donne aux, femmes. La partie la plus, la plus fertilisée est réservée aux hommes. Les éleveurs eux aussi ne comprennent pas pourquoi ils sont ostracisés. Toutes les terres sont accordées à l'agriculture et à l'habitat des espaces dédiés à l'élevage peuvent désamorcer les crises et favoriser le développement économique et social du pays. 126 hectares de yi ci seen biir tool boobu la ñu nekk muy tool boo xam ne éleveur Sindia ak éleveur Ngeexoo ñoo ko bokk. éleveurs yi problème suuf bi ñu am mooy collectivité locale yi dañoo sóoraale éleveur te éleveurs yi nag dañ leen ndax defe naa ñu ci 14 millions d'habitants, naa wala 13 millions hein? ah 4 ah, millions yëpp ci euh élevage lañuy liggéey di ci di ci dund di ci lek lepp loy def lo xamni cérémonie la il faut éleveur il faut nga outil yap nga outil so il faut nga outil genar ah hein? donc éleveur yi dañoo bokk ci réew L'une des recommandations phares que nous avons formulées, c'est de dire qu'il euh, faut reconnaître les, des droits collectifs au nom des structures qui les exploitent. C'est-à-dire, si c'est une exploitation familiale, il faut le reconnaître au nom de cette structure familiale. Mais d'abord, faudrait-il reconnaître un statut, donner un statut à cette, cette exploitation familiale. Mais en se gardant quand même, des, en tout cas en verrouillant toutes ces velléités de privatisation des droits collectifs au nom de, des GIE. Au besoin, il faut faire des remembrements. Parce qu'on a vu aussi que certains GIE, comme certains individus, ont des espaces démesurés. Et pendant que d'autres n'en ont pas du tout, ou en cherchent en vain. Donc il faut quand même un démembrement à la suite de l'étude socio-foncière, si c'est possible. Il faut aussi encadrer la, la, circulation de la terre, même, notamment euh, à propos des terres collectives, en tout cas des droits des terres qui seront reconnus euh, au nom de famille, au nom de GIE, pour que ce ne soit pas si facile, en tout cas pour ces groupes ou un individu dans ce groupe de pouvoir aligner les terres, les droits fonciers qui sont attribués au groupe auquel ils appartiennent. La question est complexe et les enjeux de taille. Comment préserver la paix sociale en sécurisant les patrimoines fonciers traditionnels en y incluant l'aspect genre Comment trouver le juste milieu entre agriculture et élevage, deux secteurs complémentaires Comment aussi favoriser le sort du secteur agricole en faisant appel au capital et au savoir-faire de nouveaux acteurs qui manifestent leur intention d'apporter leur contribution. Pour qu'elle soit efficace, la nouvelle loi sur le foncier en gestation devra apporter des réponses pertinentes à ces questions.